ne ñu ngi si vous gi un peu de temps. Je ne sais pas s'il vous plaît kan vous avez man la man la eh, sais papa peu ngi temps. Eh, ay ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu si es un homme. Je ne